di len ñaan aussi un programme na dem plutôt sur des programmes éducatifs bu mu centraliser wu rek sur des programmes de qui euh, politique wala des ay caaxaanari euh, fecc tabar on a un pays très très illettré donc participer les au moins à éduquer à informer positivement la population di len ñaanal ak yeen ak sen c'est un frère

dina ko il mu réfléchir et a plein de mu ñoo à faire. parce qu'on veut qu'on veut changer le pays alors ci lolu jàllee ma ngi suis vraiment ñima Je suis suma directeur de cabinet chef de cabinet politique coordonnateur de